le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio vendredi 8 juin 2018, il est 18h passé de 15 minutes. Chers auditeurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du forum de studio Kalangu. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous nous écoutez à travers le réseau dynamique de nos 34 radios partenaires sur l'ensemble du territoire national. Le Forum de la presse est un espace d'échange avec nos confrères journalistes de la presse audiovisuelle, écrite ou en ligne, pour parler des principales informations qui ont marqué l'actualité de la semaine et ce, dans le respect mutuel. Il s'agira tout d'abord des attentats suicides qui ont frappé dans la nuit du lundi au mardi la ville de Difa, faisant 10 morts dont les terroristes et 35 blessés. De nouvelles dispositions ont été prises par les autorités régionales. Ensuite, nous allons aborder la visite du président de la République Issoufou Mamadou à Paris, en France, sur invitation de son homologue français Emmanuel Macron le lundi. Nous allons évoquer entre autres ses déclarations à la presse française au sujet de la répression des manifestations au Niger et la signature de l'accord de financement avec euh, l'Agence française de développement AFD. Après l'interdiction du sitting projeté par le cadre de concertation et d'action citoyenne, le siège d'Alternative Espace Citoyen a été, comme toujours, assiégé par les forces de sécurité. Nous y reviendrons plus en détail. Nous parlerons aussi sport avec le début prochainement de la Coupe du Monde Russie 2018 qui débutera le 14 juin. Un événement que les téléspectateurs amateurs du ballon rond attendent avec impatience. Je suis ce soir dans ce studio pour échanger sur ces sujets avec mes confrères journalistes euh, Arimi Abakari, journaliste à la radio alternative de Niamey. Bonsoir. Bonsoir, Et El Haji Mohamed Suleiman, journaliste au journal en ligne Niger Inter. Bonsoir. Bonsoir. Et à la présentation, Rahila Tsoumana. Comme je l'annonçais tout à l'heure, euh, attaque kamikaze lundi tard dans la nuit aux environs de 23 heures à Difakura, un vieux quartier de la ville de Difa. Deux filles en hijab et un garçon ont fait exploser leur charge à des intervalles près dans une école coranique. Le communiqué officiel du ministère de l'Intérieur a fait état de six morts et 37 blessés, dont huit cas graves. Dans les précédentes attaques, ce sont des positions des forces de défense et de sécurité qui sont ciblées, mais cette fois-ci, ce sont des cibles civiles qui ont fait l'objet d'attaques suicides par des présumés combattants de Boko Haram. Je vais commencer par vous, M. Arimi, journaliste de la radio alternative. Peut-on parler de changement de stratégie par Boko Haram et comment expliquer cette attaque au moment où l'accalmie était perceptible à Difa? Euh, est-ce que c'est un changement euh, Bon, disons que depuis un certain moment, il n'avait pas, euh, grâce à la dextérité de nos forces de défense et de sécurité, il n'avait pas la possibilité d'attaquer frontalement les, les, positions militaires. Et moi, je pense qu'ils tiennent à se faire euh, entendre. Ils tiennent, euh, ils n'ont pas encore signé une reddition. Et on le sait, euh, c'est une pratique qui avait déjà cours au Nigeria. Et même au Niger, on se rappelle à Difa vers en 2015, à côté de la douane, il y a eu une telle explosion. donc ce n'est pas en soi nouveau, mais je, disais, je dirais qu'il y a eu peut-être une baisse dans la, la veille. Euh, un peu, les gens ont été surpris. Mhm. Et c'est peut-être normal. Depuis un certain temps, il n'y a pas eu euh, quelque chose, donc il y a eu une baisse, il y a eu un peu euh, peut-être de laisser aller. cela coïncide aussi avec la période de décrue totale de la commande Ouyobé, donc mhm. qui déprotège carrément une bonne partie, tout le pan sud-est de, de, la ville de Difa donc juste derrière le quartier d'Ifakura. Donc peut-être euh, si on présume que ces trois personnes sont venues de l'extérieur, donc peut-être qu'elles ont pu traverser le lit de la coup pour s'infiltrer. Mmh. Euh, donc ce n'est pas pour moi un changement de stratégie. Ils ont toujours soufflé euh, avec ces deux armes non seulement s'aimer la terreur au sein de la population, mais aussi essayer euh, de repousser tant que faire se peut les forces de défense et de sécurité. Euh, beaucoup d'énergie a été euh, déployée pour que les forces de défense et de sécurité soient en mesure. Mm-hmm. Et maintenant, l'autre côté, avec la population, euh, malheureusement, certainement, ils ont dû profiter aussi de cette période de carême où euh, c'est la dernière décade. Les gens euh, se déploient pour avoir un peu plus euh, dans le sacrifice qu'ils ont consenti et tout. Donc ce n'est pas un changement de stratégie. Ils ont toujours procédé. Vous vous rappelez, à une certaine époque, à Canon, c'est pratiquement dans la grande mosquée qu'ils ont attaqué il y a eu l'explosion à l'intérieur de la mosquée avant que certains d'entre eux se mettent à tirer sur la population qui était en débandade. Mais selon vous, est-ce que ces jeunes filles et ce garçon visaient les mosquées Non, c'est ce ce qui ressort, c'est que euh, ils ont leur intervention a été précipitée. Et selon euh, certaines sources, ils seraient venus pour attaquer au niveau du marché de Difa imaginez le, la catastrophe que ça allait entraîner. le marché, le marché c'est le mardi. Donc ils ont attaqué, ils se sont fait exploser lundi nuit. Mhm. donc euh, il y a leur première victime les aurait détectés parce mhm. que c'est des personnes qu'elle ne connaît pas. Et, puis, c'est, il s'est mis à leur poser des questions. Mhm. Quand ils ont vu qu'il ne va pas tarder à les dénoncer euh, devant les autres, euh, devant la population, tout de suite, l'un d'eux ils ont paniqué. Euh, ils ont paniqué. Il s'est fait exploser donc en emportant malheureusement euh, qui, qui est le jeune homme, voilà, qui il est, parti avec eux malheureusement. Les autres ont fui pour se rentrer dans la, s'approcher de, de, de, de, de Macaranta mhm. et ils se sont fait exploser. Là, ils ont touché à beaucoup d'enfants et puis à leur maître. Donc, ce n'est pas une nouvelle stratégie si on se laisse faire, si on laisse faire, si on baisse la garde. Euh, c'est quelque chose qui va se faire et qui va créer un véritable, euh, une situation de psychose au sein de la mhm. population. Merci Arimi, journaliste à, la radio alternative. Euh, El Hajj Suleiman, vous êtes journaliste au journal en ligne Niger Inter, il y avait un couvre-feu qui était en vigueur dans la région et des patrouilles sillonnent la ville et ses alentours. Comment expliquer que ces kamikazes ont pu euh, accéder à ce quartier euh, Vous savez, le mode opératoire des terroristes, euh, ils sont souvent parmi nous, ils sont avec la population, ils ont cette capacité d'intégrer donc les populations. Et ce qui fait que il euh, n'y a pas de barrière pour eux. Ils peuvent toujours contourner, puisque s'ils ont de complicité, dans tous les cas, euh, euh, vous l'avez dit, s'ils arrivent à contourner, ce que quelque part, effectivement, ils sont, en tout cas, ils connaissent le milieu. c'est quand même assez, je veux dire, étonnant de voir comment les jeunes gens, des jeunes filles, pour vous dire la capacité euh, terroristes en tout cas à à, je veux dire, manipuler les esprits euh, de jeunes gens qui ne m'ont pas goûté, si j'ose dire, en fait, euh, à ce que c'est que la vie, mhm. qui, on les a convaincus, euh, on a promis un autre monde. Euh, vous voyez le danger euh, pour dire que véritablement il faut faire attention le tourisme en tout cas et l'autre aspect qu'il faut qu'il faut dénoncer c'est justement cette reprise de ces images-là qu'on a vues sur les réseaux sociaux mhm. qui, a été inconsciemment ou non font euh, euh, la communication des terroristes. C'est ce qu'ils veulent. Quand ils passent un acte, ils vont aller de leur bunker, en tout cas se cacher pour entendre maintenant. Et malheureusement, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens profitent pour amplifier justement. C'est ce que mhm. recherchent. recherches. Que leur, leur action est vraiment, est vraiment un écho favorable et ils l'ont eu facilement parce qu'aujourd'hui, même euh, sans considération terroriste, euh, certaines images qu'on a en tout cas sur les réseaux, ce n'est pas normal. Il faut le dénoncer. Donc, bref, euh, de mon point de vue, c'est que les touristes, en tout cas, que ce soit ici ou bien au Nigeria, ils sont dans la population, ils connaissent l'environnement. Par conséquent, il n'y a pas de barrière. La seule solution, c'est qu'il faut espérer que la population, en tout cas, comme ce jeune homme-là, en tout cas, qui, a été très vigilant, que, en tout cas, qu'il y ait de la collaboration de la population. Quand on voit quelqu'un qui est suspect, en tout cas, qu'on puisse alerter euh, les FDS. C'est comme ça véritablement qu'on peut être amené à éviter ce Mais le plus dangereux, moi, je pense que cette capacité à préparer les jeunes gens, en tout cas à les, à, à, les, à les, former, parce que la question qu'on peut se poser, comment est-ce possible qu'on puisse amener une petite fille ou bien un, un, jeune garçon mm-hmm. vraiment à avoir le goût de se faire exploser, en tout cas, une opération kamikaze. Franchement, c'est ça qui est. À part aussi euh, la, vigilance des populations, c'est quand même euh, une période de, couvre-feu. Au-delà de, je ne sais pas, 22 heures, les gens ne doivent pas circuler. Et ça, c'est. Elles se sont fait exploser au-delà de, 23 heures, je crois. Oui, c'est ça. En fait, ce que vous savez, les actions terroristes ne sont pas dans une situation de guerre conventionnelle c'est des gens justement qui agissent par l'effet de surprise. Ils vont toujours chercher en tout cas, à se préparer pour surprendre. Comme il l'a dit, que ce soit le marché qui est visé ou bien la mosquée qui est visée, là, véritablement, on voit que ça jure avec euh, les principes qui seraient en tout cas accordés aux touristes qui seraient des de, religieux. Mhm. Donc, il n'y a aucune religion en tout cas qui peut se justifier l'usage d'une telle, en tout cas, violence contre la population civile. Donc, de ce point de vue-là, je pense que ça qui est dangereux. Mais moi, je sais que, euh, euh, comme euh, ailleurs, c'est que les terroristes, en tout cas, peuvent frapper partout. Mhm. Partout, même au, niveau de, la, présence. Parce que, en fait, c'est un travail vraiment subtil qui est fait, et même souvent aujourd'hui avec la technologie. Donc, ce qui fait qu'on n'est pas étonné, en tout cas, qu'elle puisse frapper à n'importe quelle porte le plus important, c'est qu'il faut, vraiment redoubler vigilance. De, vigilance. Merci, El Haï Suleiman de Niger Inter. Je reviens vers vous, euh, Arimi d'Alternative. Euh, la radio alternative, les autorités régionales ont pris euh, sur place des nouvelles mesures en interdisant l'ouverture du marché hebdomadaire qui était prévu pour le mardi et aussi euh, la sécurité a été renforcée dans la ville et, aux alentours des banques euh, et des établissements scolaires. Euh, quels peuvent être l'impact de ces mesures sur la vie des habitants et l'économie déjà éprouvée depuis l'instauration de l'état d'urgence cette, dans cette région du Niger En tout cas, quoi qu'on dise, ces mesures, en partie, impliquent tout simplement une victoire du terroriste. le marché de DIFA, c'est vraiment le poumon économique euh, de la région, tout simplement. Parce que déjà aux environs de Difa, il y a plusieurs marchés euh, qui n'ouvrent plus, en tout cas, ou qui fonctionnent à moitié. Et voilà que euh, le marché même de Difa, et, le, marché hebdomadaire est fermé. Je crois que c'est leur donner la possibilité de, de dire qu'ils ont marqué un point. Mhm. Moi, à la place des autorités euh, locaux, je veux, oui, renforcer euh, même la possibilité d'accès à ce marché-là, mhm. mais que le marché continue de fonctionner, parce que c'est un marché qui est clôturé, qui a, je pense, qui a possibilité de contrôler. Mhm. Euh, il suffit, oui, bien sûr, à agir sur les entrées, savoir qui entre, qui sort, avec quoi on entre. Mais est-ce qu'ils euh, peuvent contrôler les personnes qui entrent, euh, vu les accoutrements qu'on a Ils peuvent se permettre de fouiller tout le monde, chacun qui entre Mais Absolument, la situation l'exige. Et je crois que ce n'est pas la population qui va se, se, euh, à ça. À un moment, il est arrivé qu'on empêche aux femmes d'être en niqab n'est-ce pas mm-hmm. Et même avec euh, des hijabs d'une certaine hauteur. Et je crois que la population n'a pas réagi. Et d'ailleurs, moi, pendant cette période-là, j'ai eu la chance d'être à Difa et les gens ont apprécié ces mesures-là. Donc, on aurait pu faire procéder de cette manière, mais pas mal parce que on fait plus de pauvres plus de mécontents, donc plus de personnes vulnérables à être infiltrées. Mhm. euh, Suleiman vient de le dire, euh, les, les, zones de mode opératoire souvent infaillibles et qui sont éprouvées, qui ont fait leurs preuves euh, du, de l'Afghanistan à l'Irak, à l'EI, qui sont éprouvés et qui se partagent entre eux. Donc il faut aussi qu'en réaction, les gens tiennent compte il ne faut pas qu'on amène la population à son dernier retranchement. C'est de, rassurer cette population-là qu'elle n'est pas seule, qu'elle a une protection et qu'elle peut collaborer. Si ce n'est pas le cas, je suis désolé, mais euh, c'est vraiment des espaces de liberté, des espaces vraiment d'expression qu'on euh, cède mm-hmm. à ces forces terroristes-là. Merci Arimi Elhaï Suleiman de Niger Inter. Euh, selon vous, que faire de plus ou de mieux pour éviter d'éventuelles attaques suicides euh, quand certains acteurs euh, perdent de vigilance ben, Comme je l'ai dit, d'abord, le premier élément, c'est qu'il va falloir au niveau des populations une sincère collaboration avec les FDS. Mhm. Au niveau justement des FDS, il va falloir vraiment donc éviter certaines négligences euh, parce que souvent il arrive quoi les attaques dans des situations un peu de euh, soit ils étaient en tout cas euh, selon par surprise, par surprise ou bien parce qu'ils étaient en train de euh, de prier ou bien de faire des choses où on n'a pas créé les conditions dignes de sécurité et on le surprend. Donc, euh, euh, mais le plus important, euh, je pense que on l'a dit, la vraie solution, c'est agir sur l'économique, agir sur le social, à savoir que, comme l'a dit Arim tout à l'heure, le terreau justement du tourisme, c'est vraiment la misère, c'est la pauvreté. Et les autorités, je pense, euh, l'ont toujours dit, au finish, il va falloir véritablement agir sur le développement. Et effectivement, la région de, de, de, DIFA est déjà défavorisée avec, parce que quand les activités économiques agricoles ont été vraiment prises en otage, euh, on a suspendu justement la production de, certaines euh, euh, en tout cas d'arrêt qui est très prisé, en tout cas au niveau de l'activité économique. Mm-hmm. Bref, je pense qu'il faut souhaiter euh, véritablement euh, donc créer les conditions économiques, parce que je dois aussi dire que la présence aujourd'hui à fois on se rend compte qu'il y a quand même une petite ONG. Mm-hmm. effectivement, il va falloir qu'on voit concrètement ce qu'elles apportent euh, en termes d'aide parce que vraiment ça, ça, se sent pas euh, comme ça se doit parce que quand on nous parle véritablement aujourd'hui à DIFA, euh, en, tout cas selon ce que les gens disent, en tout cas il y a une multitude d'ONG qui viennent. Alors est-ce que effectivement ils profitent pour s'acheter des belles voitures vraiment <laughs> alors que les gens qui sont assis à, à payer sont là dans la misère Ça vraiment aussi c'est un autre aspect du problème. Merci Elaï Suleiman. Donc, euh, autre aspect de ce forum, euh, nous partons à l'étranger pour parler du séjour euh, à Paris en France du président de la République Issouf Mahamadou sur invitation d'Emmanuel Macron, le président français. À cette occasion, le Niger a signé un accord de financement du plan quinquennal de développement économique et social du Niger PDS 2017-2021 avec euh, l'Agence française de développement AFP de l'ordre de 31 milliards de francs CFA qui concernent l'énergie, le développement humain, la sécurité alimentaire et la gouvernance. Abba Kari Armi, journaliste à la radio alternative, euh, quelles seraient les réalisations ou résultats attendus au profit du Niger et de son peuple dans le combat pour le développement Écoutez, il y a énormément, je, dirais, vous, avez déjà cité un certain nombre euh, de, secteurs. C'est l'énergie, c'est euh, le développement tout simplement. Mhm. En fait, moi, mon problème avec ces annonces, c'est euh, la concrétisation. Mhm. Il y a quelques mois, il y a eu déjà une table ronde au profit du Niger où on nous a parlé de combien de milliards de mobilisation j'ai dit tout simplement que c'est souvent, il y a plus l'effet d'annonce que de résultat suite à ces euh, annonces-là. Donc moi, euh, oui, c'est une très bien, une bonne chose que l'Agence française de développement, qui accompagne déjà beaucoup d'ONG et d'organisations de la société civile, s'engage aux côtés du Niger à, hauteur de ce montant-là. Mm-hmm. Euh, un montant qui, quand s'il est injecté, va nécessairement produire des résultats positifs tant sur le plan de, la sécurité alimentaire que de l'énergie. Mm-hmm. Maintenant, quel est le programme soumis par le Niger même Quelles sont les modalités euh, de décaissement de ces fonds. Parce que souvent, on met des fonds à la disposition de nos États, et c'est le président de la République d'ailleurs le dit souvent, on a euh, euh, incapable d'utiliser ces fonds on a une incapacité à exploiter des fonds qui sont mis à notre disposition. Mais qu'est-ce qui explique cela Il n'y a pas euh, les bonnes personnes à la bonne place ou comment expliquer C'est plein de choses. C'est des fonds qui ont leur règlement. Il faut utiliser, le justifier de cette manière-là avant. Mhm. Si ça ne correspond pas à leur façon de faire, ce que vous aurez effectué comme dépenses sont inéligibles. Et ça, ça doit être exemple de toute corruption, de tout népotisme. Les marchés doivent être donnés dans la plus grande transparence. Toutes choses euh, que nous n'arrivons pas jusqu'à aujourd'hui à maîtriser chez nous. Donc j'espère que le Niger sera à même, pour une fois, d'utiliser ces fonds et qu'à l'issue de leur utilisation qu'on vient de nous dire. Et voilà le résultat concret à quoi ça nous a mené. Mhm. C'est ça le problème auquel on est souvent confronté et malheureusement, eh, on est incapable. Et si les, réalisations sont faites, euh, les populations peuvent s'en apercevoir. c'est aussi simple que ça. C'est l'essentiel qui va à la population et la population est reconnaissante et va ressentir. Mhm. Mais si ce n'est pas le cas, aussi, euh, les bailleurs de fonds, euh, souvent, ils ferment le robinet et c'est des scandales en un point fini. Merci Arimi. El Suleiman, journaliste de Niger Inter. Selon vous, les futures réalisations dans tous ces secteurs contribueront-elles à améliorer la place du Niger dans le classement du PNUD sur le développement ou pas euh, Oui, justement, euh, euh, je pense que en principe, oui. Donc, je suis d'accord avec Arimi, il y a cette faiblesse de consommation de crédit au niveau de l'administration. Mais nous pensons que, à force de le dire, euh, les plus hautes autorités ont peu de disposition pour éviter justement euh, ces défaillances-là au niveau de notre administration. Euh, donc, en tout cas, les secteurs identifiés, la question de l'énergie, en tout cas, c'est une forte attente des populations et on pense que cette fois-ci est la bonne et que les gens feront tout pour vraiment soumettre des projets structurants, en tout cas, dans le sens de ne pas euh, se voir euh, donc euh, privé d'un financement qui est déjà acquis par manque justement de consommation de, de, crédit. Donc il dire que, de mon point de vue, que effectivement il y a ces annonces, mais dans le cas de l'AFD, je pense que c'est du concret, on est avancé, on est passé de la phase annonce à la mm-hmm. phase de signature donc de convention et que par conséquent tout se met en branle dans le sens effectivement de concrétiser les promesses. D'accord. Merci beaucoup. Donc, euh, autre aspect de la visite du président de la République, euh, dans une interview qu'il a accordée à la télévision France 24 sur certains sujets d'actualité dans notre pays, notamment l'emprisonnement des acteurs de la société civile, le président a qualifié les acteurs de la société civile de putschistes qui ont combattu tous les régimes démocratiques au Niger. Monsieur Arimi, journaliste euh, à la radio alternative, quelle lecture faites-vous de cette déclaration, mais avant, quel sens donner à ce mot euh, Moi, je pense que c'est tout de même euh, assez grave. C'est tout de même assez grave, surtout qu'il s'agit quand même d'acteurs de la société civile que le président a lui-même, à un moment ou à un autre, côtoyé et pas seulement vraiment travailler avec eux euh, dans le cadre de beaucoup de combats, euh, parce que n'oublions pas qu'il a passé aussi 20 ans à l'opposition. Mhm. N'est-ce pas euh, C'est très facile d'annoncer que quelqu'un est, putiste dès lors qu'on est au pouvoir. quel coup d'État ces personnes ont eu à faire, je ne me rappelle même pas que ceux-là qu'on qualifie de, de putschistes, des gens qui ont participé à une gestion. Parce qu'on fait le coup d'État, euh, je me dis, pour pouvoir gérer une situation, ce n'est pas le coup d'État pour le coup d'État. Mm-hmm. Euh, il y en a qui ont collaboré avec des partis et qui sont aux affaires ou qui ont été aux affaires. Ceux-là n'ont jamais été aux affaires. Moi, je n'ai jamais vu, pour citer des noms, euh, nous exercer un portefeuille ministériel même pas un véritable conseiller. Tchangari, n'en parlons pas, quelqu'un que je côtoie tous les jours. Ali Drissa Nani, euh, oui, euh, il était directeur de cabinet du ministre Moro après le coup d'État de Salou, et ils étaient dans quel regroupement que je sache qu'il était dans le même regroupement, dans une coordination qui regroupait les partis qui sont aujourd'hui actuellement au pouvoir. Mm-hmm. Bon, si c'est ça que le président craint, euh, c'est son droit, mais je crois que ce n'est pas si facile. C'est pour un président de la République de catégoriser la société civile qui euh, la classer en deux catégories. C'est l'effet peut-être euh, d'une conférence de presse un peu devant une presse internationale qui est aux aguets et qui s'attend, qui, ne peut pas le laisser tranquille. Mais je pense qu'il s'est laissé aller et que c'est un mot de trop. Euh, de qualifier une société civile qui se veut démocratique, qui a toujours combattu pour que euh, le processus démocratique dans notre pays tienne la route, de dire au jour le lendemain, euh, ce n'est pas normal. Et il donne tout à fait raison à ceux qui pensent qu'aujourd'hui, ces personnes sont des prisonniers du régime, que ce sont des prisonniers politiques. et je pense que c'est tout simple. Parce que quand c'est un putschiste, n'est-ce pas mhm. Quand il y a eu, des personnes qui sont actuellement euh, en prison pour des faits de coup d'État, n'est-ce pas C'est le général euh, Salou et consort. Eux, ils ont été accusés euh, justement d'être dans, dans, une affaire de coup d'État et le régime le président, dans une conférence de presse, l'a dit, tout le monde, tous les ministres l'ont dit, tout de suite, ils ont été pris et condamnés. Mhm. Est-ce que c'est cela qui va arriver aux personnes qui sont euh, qualifiées de putschistes Parce qu'un putschiste, quand il est euh, identifié, on le met hors d'état de nuit. C'est un mot très fort quand même. C'est un mot extrêmement fort. Est-ce à dire que, bon, ils n'ont pas l'intention... Euh, bon, par la suite, il a essayé de se ressaisir pour dire qu'il n'est pas euh, la justice. Mais vraiment, je pense qu'il est allé euh, trop fort. Malheureusement, c'est au plan international, c'est parti partout. Euh, j'espère qu'il aura l'occasion de se Nous allons continuer dans ce sens. Le président Issoufou, interrogé par la Radio France Internationale, a dénoncé le tapage injustifié, selon lui, des déclarations et autres communiqués des ONG internationales sur la détention des 26 militants de la société civile écroués depuis deux mois. Elaï Suleiman, quels sont ou seraient les éléments qui permettent d'affirmer que les déclarations de ces organisations et associations sont du tapage injustifié je pense que quelque part, euh, les propos du président de la République euh, ont été surtout particulièrement canalisés par effectivement ce tapage injustifié sur lui parce qu'il faut quand même le reconnaître euh, pour ceux qui suivent en tout cas l'actualité cette période-là de sa visite en France effectivement il y a une campagne vraiment très très musclée engagée dans le sens de faire saboter faire échouer justement sa visite en France mm-hmm. Et effectivement, l'autre euh, mot qui a certainement choqué le président, il l'a dit d'ailleurs dans sa conférence de presse, euh, c'est le mot dictateur. Euh, je pense que cette expression-là de dictateur n'a pas du tout plus au président euh, et euh, je pense que lui, dans sa tête, euh, ne supporte pas cette expression « et on fait tout pour montrer que le Niger, c'est un état de non-droit, que non, il a essayé véritablement, autant que faire se peut, de dire que lui, en tout cas, voilà les principes auxquels, en tout cas, il adhère. Et je dirais à mon ami Arimi euh, en fait, si le président qualifie euh, les, amis de, de, de, de les acteurs de la société civile, mhm. euh, je l'ai dit une fois, en réalité, vous savez, le pouvoir, le président de la République, comme c'est le premier responsable de l'État, et il a l'appareil d'État à sa disposition. Moi, je l'ai dit sans embâche, c'est que, en fait, la situation, le rapport entre la société civile était gâté le jour où la société civile avait utilisé l'expression retirez votre droit ou dégagez, le pouvoir l'a compris comme un ultimatum, donc par conséquent, à partir de cet instant-là, il considère la société civile, en tout cas, dans une posture de putiste, et pour conséquent, pour eux, il faut les traiter justement comme tel. Voilà pourquoi, en tout cas, ils ont durci le temps. Et effectivement, le message à retenir euh, donc, du président de la République, lorsqu'il a, euh, de manière ferme, Mhm. Effectivement, il a, il, a, défendu son, son, régime parce que, quand il faut le reconnaître, euh, nous nous suivons véritablement euh, le, mouvement des Effectivement, la pression, la campagne visait véritablement à libérer euh, les gens, les acteurs de la société civile. Mhm. Ce qui est tout à fait normal parce que, comme il faut dire, l'opinion public notamment en Occident, ils sont très sensibles aux questions des droits humains. Quand on leur dit qu'il y a des gens de la société civile qui sont en prison, effectivement, même au niveau de la presse, euh, nous avons cette vocation à vouloir protéger les faibles. C'est un peu ça, arrêté quand le président s'en à RFI, c'est qu'effectivement, les journalistes ont un faible, en tout cas, pour les vraiment experts en tout cas, pour les personnes vulnérables. Donc, on a tendance à vouloir les protéger contre un pouvoir. Vous voyez Donc, c'est un peu cela, je pense que euh, le président, comme il l'a dit, effectivement, je pense qu'il n'est pas amnésique. Il a lutté avec euh, ces gens pour acquérir le pouvoir. <laughs> Mais je crois que euh, le pouvoir en place n'accepte pas, en tout cas, depuis que eh, les Tchangarés ont dit retirez votre loi ou bien dégagez. À partir de ce moment-là, effectivement, ils ont considéré que ce là aussi vraiment, comme je l'ai dit, ce n'est pas vraiment aussi de, de l'amusement, la question du pouvoir. Hein. Euh, moi, je dis, même en tant que reporter, quand on va sur le, terrain, il y a que souvent, euh, dans euh, le fait de l'action, certains militants ou bien certains activistes tiennent des propos et vous savez la police fait des rapports quand même. Ils viennent mm-hmm. aussi dans les, ils viennent en civil, ils, font des rapports. On entend, on entend vraiment ce que souvent les gens disent. Euh, franchement parlant, euh, ils vont, ils ont eu le temps véritablement de voir quelle est l'intention de la société civile. Hmm. Donc pour eux, ces gens-là effectivement à faire un une fois le ministre de l'Intérieur l'avait dit, il veut faire une place Tahrir, il veut faire le cas du Burkina, en tout cas, donc le balai citoyen. Bref, c'est un peu cela. Euh, je pense que le président de la République, euh, il était très très gêné par la campagne qui a été faite, parce qu'il faut le reconnaître, euh, il y a ces articles, en tout cas très malveillants, dans le monde d'Afrique de la libération, il y a donc effectivement cette action des ONG euh, donc euh, aussi qui ont apporté un peu de l'eau au moulin donc des activistes. Bref, il y a tout cela en tout cas qui fait que le pouvoir était, dans à la défensive. Il fallait véritablement euh, euh, donc se défendre. Et ça, en fait, vous avez comment il a repris la violence de RFI <laughs> pour, dire qu'arrêtez, vous ne faites que vendre de l'émotion. On fait de bonnes choses, mais vous, vous cherchez à vendre de l'émotion des Nigériens. Euh, bref, je pense qu'en réalité, c'est une, une, une érection qu'on peut comprendre. Tout pouvoir, en réalité, le pouvoir n'a pas besoin, en tout cas, qu'on le défie. Il y a un moment où la société civile était osée à, manifester, mais le moment où elle a bravé l'autorité, effectivement, les a, mis hors d'état de nuit. selon lui, voilà. en fait, euh, il faut euh, savoir raison garder. Hein. Oui, quand on dit que tu n'es pas démocrate, tu peux te fâcher. Mm-hmm. Mais le fait de ne pas accepter l'opinion de l'autre, le fait que l'autre dise, que tu te dises de dégager, n'est-ce pas ce n'est qu'une expression d'une opinion. Est-ce qu'il a pris des armes Est-ce qu'il a euh, des armes pour le faire Non, il n'a absolument rien pour faire ce combat-là que son opinion, propre, opinion. Et malheureusement, je constate que avec le régime actuel, ce n'est pas accepté d'avoir une autre euh, opinion que celle des princes qui nous gouvernent. Euh, vous avez vu, le, président, il était dans, dans tous ses États. Il était dans tous ses États pour dire que non, les gens ont dit qu'ils vont marcher la nuit. La nuit à partir de minuit. Il dit que cela ne peut pas être accepté à Londres, alors qu'à Londres, à Paris, machin, ça s'est fait tous les jours. Les gens manifestent même la nuit, même au petit matin. Appellent nuit faut, debout. Oui, mais il faut, il faut, il faut. La démocratie, ce n'est pas un vain mot. C'est tout un comportement. Mhm. Et c'est d'accepter d'être contrarié. Et malheureusement, aujourd'hui au Niger, le prince qui nous gouverne, à mon humble avis, n'accepte pas d'être contrarié, hmm. n'acceptent n'accepte pas que quelqu'un parle avec un autre ton. Malheureusement, c'est à, quoi nous assistons. On dit à RFI que non, vous avez parlé, oh, on fait de belles choses, mais vous ne parlez, vous ne vendez que l'émotion des Nigériens. Les gens sont libres là-bas et dit de dire ce qu'ils croient. Là-bas, c'est différent. Les gens ont une culture démocratique. Même le ministre, même le président de la République ne peut pas leur faire des injonctions mm-hmm. pour changer leur euh, ligne éditoriale. Donc vraiment, il ne faut pas euh, penser que quand les gens disent oui, vous changez ou vous dégagez, après on peut faire quoi Après la euh, société civile peut faire quoi euh, Sincèrement. On, va, On, va bah, poursuivre. Bah, on a, bah, on a, c'est <laughs> ça, ce ce sujet-là. On, va, on va continuer. Donc, euh, Elhaj Suleiman, je reviens vers vous. À, chaque interdiction de manifester, l'association alternative est assiégée et la radio aussi prend un coup après, avec l'accès limité. Euh, à cette radio. Quelle lecture faites-vous de ces actes et selon vous, est-ce que ça entrave le fonctionnement de, la radio euh, Vous savez, je ne, me fais aucune illusion que le leadership, euh, c'est le sacrifice. alternative en tant que leader de, des associations de la société civile donc, est considéré de ce point de vue comme le lieu où, effectivement, puisqu'il héberge les réunions de la société civile, donc euh, de tout cela, dans la lecture, je pense, du pouvoir, c'est que c'est lieu de la subversion. Mhm. Donc, euh, c'est bien regrettable, nous sommes en démocratie, je pense que c'est quand même aussi un, un, truc privé, un bien privé, donc euh, euh, qu'on doit véritablement rester, en tout cas, gérer euh, librement, en tout cas, conformément aux lois euh, et règlements. Mais je pense que dans la lecture du pouvoir, cette alternative serait ce lieu de subversion, ce lieu en tout cas où les gens se donnent rendez-vous pour effectivement nuire donc à, la, à, la, stabilité donc du, du, régime. C'est cela, je pense, qui explique ce, ce truc-là. Mais je pense que c'est un abus. les forces de défense de, et de sécurité ont suffisamment les moyens, en tout cas, où ils peuvent encadrer, euh, je pense, euh, les lieux sans pour autant venir empêcher aux gens, en tout cas, accéder euh, à leur, à, leur, bureau. Mais de mon point de vue, je considère que c'est un peu cela, elles sont victimes, mon ami Arimi ici présent, elles sont victimes de leur leadership, effectivement, et effectivement, plus vous, vous accumulez ces accès, plus effectivement, en contrepartie, vous, vous vous élevez. Parce que comme aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, je l'ai dit, euh, dans la pratique, vous constituez une ONG, une association, en tout cas leader de la lutte euh, de la société civile au Niger. Mhm. Donc c'est cela aussi, c'est une, contrepartie. Mais dans l'absolu, je pense que dans la gouvernance du pays, il va falloir éviter ces abus parce que simplement, c'est de nature à terner l'image euh, du régime et vraiment du pays de façon générale. D'accord. Donc, au vu de tout ce qui se passe dans cette euh, lutte euh, contre la loi de finances 2018, monsieur Arimi, journaliste à la radio alternative, peut-on espérer un jour que les manifestations de jour comme de nuit pourraient être autorisées Écoutez, nous, notre euh, vision de la démocratie, euh, ce que les manifestations de rue sont un droit constitutionnel. Maintenant, euh, aujourd'hui, euh, pour X raisons que ces manifestations-là soient interdites systématiquement, là, la dernière fois, ils ont évoqué que c'était en semaine, mais il n'y a pas un moment pour faire un mouvement. C'est comme pour aller au travail. Justement, on arrête d'aller au travail pour défendre euh, une position pour défendre euh, une revendication. Euh, malheureusement, au Niger, depuis un certain temps, on dit du lundi au vendredi, personne n'a le droit de déserter son lieu de travail pour aller manifester. Mhm. Ça, c'est déjà une entrave grave, grave vraiment à la constitution de la République du Niger et à la démocratie. Ça n'a aucun sens. Pour aller en grève, si tu dois aller en grève les jours fériés, ça ne fait, ça veut dire quoi ça veut dire que euh, tu ne veux pas te faire, tu ne veux pas te faire entendre. Maintenant, concernant l'occupation du siège de Alternative, mhm. la dernière fois, sincèrement, j'étais très surpris. Euh, je sais qu'on avait fait une déclaration, que Alternative avait fait une déclaration euh, à, manifester pour le mardi 5 passé, mhm. et que ça a été interdit. je sais que le cadre de concertation a fait une déclaration à la place euh, France de Alternative pour dire qu'elle prend acte. Mais le matin, je ne me pensais pas du tout à retrouver. Et donc, quand j'ai viré et que j'ai vu quatre véhicules de la police garés devant la porte, je, me suis mis tout seul à rire. J'ai dit, mais cette affaire, ça devient tout simplement un harcèlement. Et ce qui était juste, parce que quand je suis venu, le personnel qui était là était tout simplement. Euh, les gens étaient inquiets. C'est-à-dire, il suffit qu'il y ait une manifestation en vue, tu es occupé. D'ailleurs, la dernière fois, ils ont franchi, un pas en exigeant euh, le badge d'accès à Alternative. Comme si c'est Alternative qui les, a amenés, il faut présenter le badge de Alternative pour rentrer même dans à la partie de la radio. Mais quand il y a des invités et autres euh, invités pour la radio, comment est-ce que ça marche Ils n'entrent pas. S'ils sont là, ils n'entrent pas il n'entre pas parce que partenaire a amené une correspondance, il n'a pas eu le droit d'accéder. Moi, j'étais à l'intérieur, c'est le chauffeur de l'alternative qui m'a amené le papier que j'ai signé pour le remettre. Donc, c'est vraiment, on est en situation d'occupation. On ne sait pas qui les envoie. Pourquoi Parce qu'on n'a jamais vu pourquoi ils sont là. Aucune notification. aucune notification. Et euh, est-ce que euh, vraiment au, même titre que la place Toumo est occupée, la place de la concertation est occupée, alternative aussi <laughs> est occupée. On va donner la parole à El Haj Suleiman avant de passer un peu au sport, même si on, le temps nous est compté. Je pense qu'en réalité, <laughs> là, on est dans l'intimidation. Euh, en fait, le pouvoir est en train véritablement de vous euh, dire que effectivement euh, vous pouvez le défier, vous pouvez braver l'autorité, mais elle est là. C'est aussi une action de survie au niveau du pouvoir. En tout cas, c'est ça l'intimidation. C'est donc des mesures policières donc régulières de, sécurité. Je pense que c'est un truc euh, temporaire, en tout cas juste par rapport à un On là. On va continuer en sport. C'est le dernier aspect de ce forum de la presse. C'est le 14 juin prochain que s'ouvre en Russie la 21e édition de la Coupe du monde de football, le plus grand événement sportif cette année. L'office de la radiodiffusion télévision du Niger ORTN a annoncé la diffusion des matchs de ce mondial 2018 en direct sur euh, Télé Sahel et sur Tal TV. Arimi, euh, vous êtes journaliste à la radio alternative. Comment avez-vous accueilli cette annonce brièvement euh, Je trouve que c'est une très bonne chose, sincèrement. Beaucoup de pays le font du temps du président Tanja, une année, il l'a fait. C'est un package qu'il avait payé à l'époque pour des activités de la CAF et de la FIFA. Euh, je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, euh, transparence pour transparence, c'est important euh, qu'on sache combien tout ça coûte euh, aux contribuables nigériens. C'est important de, de, le dire. Euh, est-ce que c'est directement le Trésor national qui paye ou c'est l'ORTN qui paye c'est important de le savoir. J'ai vu euh, ou j'ai entendu parler que c'est le président de la République. Si c'est le président de la République, ça veut dire que c'est le trésor national en réalité. Euh, combien ça a coûté, il faut qu'on sache. Mhm. L'ORTN, on espère que l'ORTN va capitaliser euh, cet, événement n'est-ce pas J'ai vu, ils sont en train de diffuser à tue-tête des spots mhm. et j'espère que les annonceurs vont suivre. Et que, et que la Nigélec va accepter. <laughs> va accepter et que les années à venir, qu'on n'ait pas besoin, il faut que ça, soit, que ça rentre dans le cadre normal n'est-ce pas, de, des amateurs de cette mhm, mhm. discipline-là que leur télévision nationale, d'ailleurs pour laquelle ils cotisent chaque mois, chacun cotise euh, à, travers sa facture de, la Nigelec vraiment que ça soit systématique, qu'on ait le choix. Aujourd'hui, je suis sincèrement fier de n'être pas obligé de payer au Canal Plus pour pouvoir suivre cet événement. Mhm. Et ça, c'est important. C'est ça, c'est ça le citoyen. C'est ça appartenir à un pays. On te donne le choix de choisir, vraiment la possibilité de choisir. S'ils continuent à faire, c'est leur une bonne chose. Un mot avant de clore. Je, je dirais à Rémi, mais en termes de priorité, entre cet agent qui va être euh, utilisé pour regarder le, le football et d'autres priorités au niveau des populations. Vous voyez, nous sommes à milieu donc de du, du, du, Niger profond, mais je pense que euh, c'est une, bonne chose, c'est une bonne nouvelle quand euh, qu'on dise que les autorités ont fait des sacrifices pour le faire. Mais comme on l'a dit, à l'absolu, c'est qu'on voudrait que ce soit vraiment un truc euh, qui relève vraiment de la gestion normale de, l'ORTN parce que simplement c'est un droit aussi des citoyens. Nous voici au terme de ce forum de la presse du 8 juin 2018. Nous étions avec euh, Arimia Bakari, journaliste à la radio alternative de Niamey, El Haj Mohamed Suleiman, journaliste au journal en ligne Niger Inter. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre attention. Rendez-vous samedi et dimanche euh, dès 17h15 avec les forums en Hausa et en Zarma pour euh, avoir la lecture que font les religieux sur la hausse des prix des produits pendant ce mois de Ramadan. Merci d'être à notre compagnie. Au revoir et bonne rupture de jeûne.